11h et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'est Rakia Arimi et je suis en compagnie de Ali Moukela Ousseini, alias Seino. Bonjour Seino, comment tu vas ce matin Je vais bien Rakia. N'oublions pas de faire un coucou à Adama Dawaki et Raila Toussoumana qui sont à l'édition. À la technique, nous avons Issa Lawali. Alors Rakia, quel est le menu du jour et nous débuterons avec le flash d'informations et ensuite il y aura plein de rubriques sur l'entrepreneuriat, le reportage des régions qui nous amènera à Zender et du sport. L'entretien du jour est consacré à la parenté à plaisanterie. La suite, c'est évidemment une bonne dose de musique 100% nigérienne. Et nous sommes vendredi, il y aura la revue de la presse avec Mokhtar Hamadou. Pour commencer, suivons le flash avec Rafika To'attaher. Bonjour Rafika. Bonjour Rakia, comment vous allez On va bien, merci. Alors pour ce matin, en ce moment au Niger, le prix de l'oignon est en hausse. Le sac se vend aujourd'hui à 75 000 francs CFA. Selon les commerçants de Niamey, la demande est plus importante que l'offre. Et ce qui expliquerait cette situation, selon eux, c'est d'une part le fait que les récoltes de Galmi, l'une des principales localités productrices d'oignons au Niger, n'ont pas encore été effectuées. Et d'autre part le fait qu'une grande partie de l'oignon disponible est exportée par des commerçants de la Côte d'Ivoire et du Nigeria qui viennent, et ce, malgré la fermeture des frontières. L'organisation non gouvernementale DICO, en collaboration avec la plateforme des journalistes nigériens de la presse en ligne, de la presse écrite, de la radio et de la télévision pour la nutrition, organise du 16 au 17 novembre 2023 un atelier de formation des journalistes sur les techniques de plaidoirie en faveur des droits à l'alimentation et à la nutrition à Niamey. Cette rencontre qui entre dans le cadre de la célébration des droits à l'alimentation et à la nutrition des enfants a pour objectif de renforcer leurs capacités sur les techniques de plaidoirie sur les droits à l'alimentation et à la nutrition. Pour rappel, l'ONG DICO vise aussi à améliorer les conditions de vie des populations déplacées, réfugiées et retournées ainsi qu'à leur résilience. Enfin, en sport, la Ligue va démarrer ce week-end. Les régions qui ont des équipes engagées dans cette compétition nationale se préparent activement. Cette fois-ci, la région de Dosso, qui a fait des années sans y participer, sera au rendez-vous avec le club dénommé Tagour Provincial. Les dirigeants de Dosso se préparent pour affronter le premier match dimanche face au Zumunta AC de Niamey. Merci Rafika. Chers auditeurs, dans l'entretien du jour, Dr Boube Salifou, spécialiste en amorétique philosophique appliquée, qui a travaillé sur la parenté à plaisanterie. Il enseigne aussi la philosophie et sciences politiques au Niger et en France. Exactement, mais avant d'écouter l'entretien, nous allons faire un premier tour en musique avec euh, saronia Mangou de Akazama. shaida ce tattare gida ilimin da oui, l'orchestre Akazama de Dogonduchi se distingue par sa capacité à capturer le sens même euh, des traditions de l'arewa à travers ses performances musicales. Chaque note, chaque rythme semble être une célébration vivante des coutumes et de l'héritage de la région. Leurs œuvres emblématiques, Saraunia rend hommage à la vaillance et à la résilience de Saraunia Mangu. En somme, l'orchestre Akazama va au-delà de la simple interprétation musicale. Il incarne un gardien sonore de tradition. Le 19e siècle s'achève dans un tumulte des guerres de conquête et d'occupation. ma ci la rente sana assurance di baki tore yaki baki tore arna mace saka maza da masu yaki Retro Studio pour faire euh, place à présent l'entretien du jour sur la parenté à plaisanterie. Oui, docteur Boubé Salifou nous en dit plus sur euh, l'importance de la pratique de la parenté à plaisanterie au Niger. Il au micro de Tarnan Foudé Ahmed. Docteur, quand on dit cousinage à, plaisanterie, qu'est-ce que cela signifie exactement La parenté à plaisanterie, ou cousinage à plaisanterie, c'est la même chose. En fait, c'est juste une sorte de euh, rapport de euh, convivialité. Donc une relation de convivialité entre des personnes spécifiques qui a un certain nombre d'obligations. Il y a l'obligation de plaisanter, il y a l'obligation d'assistance mutuelle et l'obligation de se sécuriser mutuellement. Donc voilà les trois grandes obligations qu'on retrouve au niveau de euh, la parenté à plaisanterie. Maintenant, quand on essaie de définir la parenté à plaisanterie, il faut voir à la fois un acte politique en soi qui permet de stabiliser une nation, un État, un village, un empire, mais il faut aussi voir en fait une pratique culturelle qui permet tout simplement de libérer l'individu, l'universel et en même temps conserver les particularités. Quelle est l'importance euh, du cousinage à plaisanterie euh, dans une société comme la nôtre Je dirais que le cousinage il est vital pour nos sociétés euh, puisque à la fois il désamorce les conflits, donc c'est comme si c'est un phénomène qui est élaboré pour une pratique élaborée pour tout simplement prévenir les conflits généralisés, ouverts, violents. De l'autre côté, c'est aussi, si vous voulez, un modèle pratique de contrat social. Il y a cet aspect qui est occulté, et qui n'est pas développé, mais en réalité, je dirais que euh, à plaisanterie est le prototype même du contrat social, en fait, puisque c'est vraiment le point de, de départ d'une union qui est à la fois familiale biologique donc du sang, mais aussi symbolique, donc euh, si vous voulez un peu légal. Quel est son rôle euh, dans la cohésion sociale, dans la coexistence pacifique euh, Vous savez, quand on prend la parenta plaisanterie, il, y, a, deux volets. Il y a le volet plaisanterie qui est le plus vu, donc là où on fait la division, les communautés s'étaquinent entre elles. Et l'objectif en fait de cette plaisanterie, c'est à la fois faire naître, donc à partir de la promesse, et aussi libérer. Faire naître, parce que vous savez, dans euh, les sociétés africaines, la parole, elle est considérée comme en fait un corps virtuel. Notre parole, c'est pas juste des verbes, c'est aussi un corps comme le corps physique. Donc parler, tenir une promesse, et c'est comme si vous avez engendré physiquement un enfant. J'ai l'habitude de prendre cet exemple. Quand vous écoutez euh, souvent certaines incantations ou paroles traditionnelles, on dit la promesse et promettre, c'est donner vie ça dans nos traditions on le dit. En fait, c'est juste pour dire que euh, la parole en fait qui est notre copie, lorsque nous promettons, c'est comme si nous donnons en fait cette copie de nous-mêmes. Ça c'est le premier élément et c'est ce qui fait que en fait le parent plaisant quand il parle, c'est comme si en fait il met toute son humanité, toute sa personne en jeu. Deuxième élément, il y a le système de libération. Donc à travers euh, la plaisanterie, qu'est-ce qu'on fait En fait, déjà on prépare l'individu à euh, s'auto-questionner. D'abord, accepter de recevoir des critiques, vous appartenez à une communauté, acceptez que, étant des humains, les communautés sont l'œuvre des humains, elles sont imparfaites comme les humains, donc savoir que toutes les communautés ont des limites. Mais en même temps aussi développer les capacités de riposte faire en sorte que vous soyez aussi une sorte d'avocat de votre communauté. Vous recevez les critiques de la communauté, donc vous normalisez les limites de la communauté, mais aussi on normalise le fait que vous défendiez la communauté. Vous voyez, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est au niveau aussi individuel. En fait, au-delà des communautés, dans chaque individu, on développe la capacité de dialoguer. Accepter que j'ai des idées, j'ai une histoire. Accepter aussi que l'autre a des idées, il a une histoire. Son histoire ne doit pas forcément être mon histoire. Ses idées ne doivent pas forcément être mes idées. Et il a le droit de défendre ses idées comme moi j'ai le droit de défendre mes idées. Donc vous voyez, on crée les conditions du dialogue au sein d'une société et du débat, si vous voulez, politique, où chacun peut donner son opinion, on reconnaît son opinion, on lui permet, on lui donne le droit de défendre ses opinions. Et on donne encore aux autres le droit de critiquer ses opinions et aussi on lui impose le fait d'accepter ces critiques-là. Donc voilà ces paramètres-là. Maintenant, le troisième paramètre, en fait, c'est ensemble de questionner le réel. Par exemple, le parent a il peut remettre en cause une loi, il peut s'opposer à une loi, via la parenté à plaisanterie, en fait, ce qui est une sorte de dogme dans le sens de euh, une vérité immuable au sein de la société, on permet en fait aux individus de questionner cela, questionner ces lois, questionner les règlements, questionner les normes de la société, donc avoir l'occasion de réfléchir sur ces normes et de proposer des nouvelles lois. C'est ce qui fait que traditionnellement, à côté de chaque roi, il y a toujours dans sa cour un parent à plaisanterie, un de ses cousins, qui parle et qui remet en cause ou qui souvent tourne en dérision ce que dit le loi. Voilà, retour euh, au studio pour faire place à présent, n'est-ce pas, euh, à la revue de la presse euh, qui nous sera présentée par Mokhtar. <laughs> bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Raki Arimi. Bonjour. Alors, l'ONI va reprendre ses <coughs> opérations aériennes humanitaires au Niger, titre en gros le journal L'événement. Et oui, le gouvernement de transition du Niger a autorisé les voiles à l'intérieur du pays, mais que les services aériens humanitaires. Le service aérien humanitaire des Nations Unies se réjouit de cela et a annoncé la reprise de ces opérations humanitaires par voie aérienne, nous apprend le journal L'événement. Les autorités de transition, les autorités nationales euh, de l'aviation au Niger ont informé le service aérien humanitaire de l'ONU que les restrictions de vol sont désormais levées pour les opérations intérieures et que les services peuvent reprendre à partir de demain, a déclaré mardi le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Tchad. La reprise des services humanitaires de l'ONU facilitera la livraison ininterrompue et sécurisée de près de 2,4 tonnes de marchandises par mois principalement des fournitures médicales essentielles aux personnes dans le besoin. Il assurera également les évacuations médicales et sécuritaires critique du personnel humanitaire, explique Okia, qui souligne cependant que la durabilité du carburant pour les vols reste un défi. Mokhtar au Mali, après dix ans d'absence, l'armée malienne enfin de retour à Kidal, s'exclame le journal en ligne Actu Niger. Et oui, Rakia, selon le journal en ligne, l'armée malienne a annoncé mardi 14 novembre son entrée à Kidal, ville stratégique du nord du pays située à quelques 1500 km de Bamako, où elle était absente depuis une dizaine d'années. Au-delà de la victoire militaire obtenue après plusieurs jours de combats acharnés entre les forces maliennes et la coalition des mouvements rebelles du CSP CSD, la reprise de Kidal constitue un enjeu majeur de la souveraineté pour les autorités maliennes qui ont fait de la reprise et du contrôle de ce bastion de la rébellion Touareg, un symbole de la lutte contre le terrorisme et la reconquête de l'intégrité du pays. Dans un bref message à la nation, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a salué le succès de l'opération qui, selon lui, ne vise exclusivement que la sauvegarde de l'unité nationale et de l'indivisibilité du Mali, ainsi que la lutte contre le terrorisme pour assurer la sécurité du territoire. Des manifestations de joie ont aussitôt explosé à Bamako. Depuis quelques jours, les combats se sont intensifiés aux alentours de Kidal entre les FAMA soutenus par des instructeurs russes du groupe militaire privé Wagner et la coalition des mouvements rebelles et indépendantistes Touareg du CSP-CSD auxquels se sont joints des groupes armés terroristes, notamment le JNIM affilié à Al-Qaïda. Alors Mokhtar, euh, les membres de la Cour d'État et de la COLDEF prêtent serment, euh, titre le site d'information gouvernementale, l'agence nigérienne de presse ANP. L'ANP nous apprend que les nouveaux membres de la Cour d'État et ceux de la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale Coldef, ont prêté serment hier jeudi 16 novembre 2023 devant le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le général de brigade Abdraman Tchani. Cette cérémonie solennelle prescrite par des dispositions réglementaires mises en vigueur pendant la période de la transition consacre ainsi l'entrée en fonction des différentes personnalités nommées il y a quelques jours pour conduire les destinées de ces deux institutions. Pour la Cour d'État, et la Cour d'État, en effet, est la plus haute juridiction en matière administrative et judiciaire de la transition. Cette Cour qui remplace la Cour de cassation et le Conseil d'État prévue dans la Constitution du 25 novembre 2010, aujourd'hui suspendue. Quant à la COLDEF, elle a été créée le 13 septembre 2023 et est composée de 35 membres nommés par décret le 1er novembre dernier par le président du CNSP. Elle a pour mission la lutte contre la corruption, l'impunité, le détournement des deniers publics et la mauvaise gouvernance. Confirmation de pesticides frélatés à la Direction générale des végétaux. Quatre groupes dans le viseur de la justice s'exclament l'hebdomadaire de la roue de l'histoire. Selon la roue de l'histoire, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mohamed El Hajou Ousmane, a visité ce lundi 13 novembre 2023 la direction générale de la protection des végétaux située à Souraï dans la périphérie de la ville de Niamey. Accompagné de son staff, le ministre est allé constater de visu et confirmer en temps en même temps la non-conformité des produits phytosanitaires, plus précisément les pesticides frélatés entreposés dans le magasin appartenant à la dite direction. Entre colère et déception, le colonel Mohamed Al-Haj Ousmane a réitéré la ferme détermination des autorités de la transition à sévir dans cette affaire qui défraie actuellement la chronique au sein de l'opinion publique et c'est une commande de près de 2 milliards de francs CFA effectuée par l'État et qui a été livrée en janvier 2023 dans le but d'appuyer les paysans pour traiter les cultures en cas d'attaque des insectes et autres ennemis des cultures. Malheureusement, ces pesticides sont loin de répondre à la qualité et aux normes requises, a regretté le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Et c'est tout pour la revue de la presse de cette semaine. Merci, Merci. Alors, chers auditeurs, à présent, nous allons continuer l'entretien du jour. Oui, c'est nous. dans cette deuxième partie, Dr Boubé Salifou nous parle de l'originalité de la parenté à plaisanterie. Il est au micro de Tarnan Foudé Ahmed. On blague avec les Germains, mhm. euh, les Gourmands sont nos cousins, mhm. euh, parfois on taquine même euh, des Gobirawa. Tout ça là, comment les sociétés nigériennes ou les différentes ethnies du Niger ont institué ça Est-ce qu'il y a des lois qui ont institué ça Comment ah. ça s'est fait Vous savez, la parenté à plaisanterie, elle n'a pas été créée au Nigeria. Pratiquement jusqu'en Afrique de l'Est, elle existe. En Afrique de l'Ouest, et même dans les îles, hein. okay. un peu en Amérique du Nord chez les Indiens. C'est une pratique, mais qui sûrement a été instituée dans la période de l'Antiquité. C'est vraiment bien avant, hein, puisque à 1236 déjà, Sundiata Keta, il a fait de la parenté à plaisanterie, il l'a inscrite comme loi. En fait, c'était une loi, c'était un article de la constitution de Kafuga euh, de 1236 déjà. Maintenant, quand on parle de euh, la source, il y a deux à trois grandes sources en fait, qui fait que les communautés soient cousines. Il y a la source du sang. Souvent, c'est des communautés qui sont issues de la même souche. Donc, euh, ils ont des grands-pères communs. Et maintenant, avec le temps, ils conservent ce lien-là. Il y a la deuxième souche, c'est la souche du lien de sang. Donc euh, souvent, ce sont ce qu'on appelle des pactes de sang et qui ont été exécutés entre des chefs. Donc un chef qui épouse la fille d'un autre ou bien deux chefs qui font euh, la promesse, ou tout simplement cette fameuse histoire des frères chasseurs on retrouve un peu dans tout le Sahel. Bon, enfin, frère, euh, dans le sens social du terme, hein, donc des amis. Et il y a un qui avait faim. Le plus jeune, il avait faim. Donc, il voulait mourir. Et le, le plus ancien lui a dit de rester. Il va aller trouver à manger. Et N'ayant pas trouvé, qu'est-ce qu'il a fait Il a coupé une partie de euh, sa cuisse. Il a rôti et il a donné à l'autre. Donc il a mangé, il a grandi. En fait, il a repris ses forces. Et après, en marchant, il s'est rendu compte que l'autre a du mal à marcher. Il a vu du sang. Donc il lui a posé la question. Il lui a expliqué que, pour te sauver, j'étais obligé de couper ma chair. Donc ce sont ces genres de pactes-là. Ça a créé le lien de la parentale plaisanterie entre les deux descendants. Vous voyez, il y a le lien de sang. Euh, quelqu'un qui vous a fait quelque chose, euh, en tout cas de particulier, et vous instituez cette pratique à partir de vous. Maintenant, il y a la troisième source, c'est la parenté par une sorte de translation. En fait, vous avez un lien de cousinage avec une communauté et une autre communauté et les deux communautés deviennent cousines. C'est comme les Arawa et les Peuls. Les Peuls sont cousins des Kanuri, les Arawa sont les descendants des Kanuri. Donc, il y a un lien en fait indirect entre les Arawa et les Peuls. Maintenant, euh, docteur, je voudrais savoir est-ce que le cousinage à plaisanterie a joué un rôle euh, important dans l'histoire sociopolitique du Niger oui, oui, Pas que le Niger. Hein. Par exemple, même au niveau des négociations pour la paix, la parental plaisanterie intervient énormément. Il y a beaucoup de euh, crises qui ont été désamorcées à partir de ce lien-là. Par exemple, au plan même international, une année entre le Mali et le Burkina, il y avait une tension. Donc euh, les militaires étaient sur le long des frontières. En fait, les deux pays étaient sur le point de se tirer dessus. Il y avait euh, la Guinée. Il joue le Kora, donc c'est lui qui a fait le travail en rappelant au président Lamizana du Burkina et au président malien le lien entre les deux communautés parce qu'ils sont issus des communautés cousines. Et il chantait, enfin il montrait que c'est désolant de voir aujourd'hui des présidents issus de ces communautés-là et entraîner leur pays dans une guerre. Et via en fait cette production, c'était une production culturelle qu'il a faite et les deux présidents étaient présents et en fait il a pousser les deux présidents à se lever et se donner la main. Et à partir de là, ils ont fait la paix. Au Niger aussi, le schéma. Il y, a, il y a plusieurs cas, il y a eu plusieurs témoignages qu'on a eus, à partir desquels on parle de la gestion des conflits en utilisant euh, le système de, euh, de parenté à plaisanterie. Peut-être pour préciser, souvent on a tendance à voir la parenté à plaisanterie seulement entre communautés ethniques. Mais en fait, c'est au-delà. Il y a, par exemple, la parenté à plaisanterie entre les bouchers et les éleveurs. Il y a la parenté aussi euh, entre des groupes identitaires, par exemple les Agdesawa et les Damgarawa, etc. Si vous êtes euh, peut-être vous êtes Peul, peut-être que vous êtes euh, Germa, l'autre il est euh, Kanouri. Parfait. Il n'y a pas de lien direct avec les deux communautés, mais parce que vous avez cette identité territoriale, en fait vous développez ce lien de parenté à plaisanterie. Il y a la parenté à plaisanterie territoriale, il y a la parenté à plaisanterie socio-professionnelle et extra Voilà, c'était Dr Boubé Salifou, enseignant euh, de la philosophie en sciences politiques au Niger et en France, qui répondait aux questions de Tarnan Foudé. Oui, chers auditeurs, la rubrique hebdo de ce vendredi nous amène à Tanout dans la région de Zender pour parler de l'entrepreneuriat féminin. saboda ka san ba a zauna ba haka nan sai ana wani abu ga munan ga aiki muna son shi ba jari kuma ba ciniki mai kyau kuma ba sarin da za a ce ga da za mu kai shi a kula da shi ko ko a saida mun shi da rahama babu mu yi sai mu kai kasuwa akwai inda muke ajewa to cinikin ne kuma ba irin yadda ake son shi bane ake yin shi ka sai ka sai ka da tsada kuma a zo a taya maka da arha wannan shine muka sani gado kenan duk wanda ta taso diyatta ko ɗanta yana koyon shi to sai dai muna so yanzu mu ma mu shiga wanda ake yi na zamani muna kallo ana yi ana ci amfani shi mu dai har yanzu na da ne muke yi nan akwai albe akwai ah, tumas wannan kuma abin gado ne su ne muke yana mu dai nan muke aikin mu a gida daga nan sai kasuwa sai wani yana so a yi a kai mishi fata ana ake yin ta wurin maje ma muke zuwa masaya da tsada wata jika biyar wata katmil haka muke sayan su wanga wanda yin shi za a yi ai shekara ake a yi shi sai dai adon wannan shi kada yake cin sati uku hudu kuma fata yake ci ba kadan ba wannan aikin hannu ne amma muka samu mashi wadda za ta je mai mu fata ta gyara ta shasha ta muna son ta gaskiya guri mu hamu ma mu fito kamar yadda kowa ya fito mu ci riba duniya mu ci riba siyasin da ake ciki haka muke bukata yanzu aikin nan da muke wani biye mu yi shi ya eh, shekara da shekaru yana rataye kasuwa bai sayuwa kuma sayuwa ma in ya sayi ma in mun hudo kayan aiki mun yi sa'a amma muna neman taimako gwamnati ta taimaka mana mu ma kamar yadda ta taimaka ma kowa. Voilà, c'était Mariam Hamza, artisan Nous allons euh, encore souffler en musique, n'est-ce pas, Rekia euh, Oui, et la prochaine, c'est Badossa de Salbori. gire giren tabış. Dawakin dosa kama suka tara. l'artiste virtueuse Saadou Bori, eh, Abdou, voilà, plus euh, connu sous son nom d'artiste Saadou Bori. Il était chanteur, compositeur et batteur. Il débuta sa carrière musicale dans l'orchestre Goriba de Maradi avant de rejoindre le mythique orchestre Carnaval de, eh, eh, Carnaval de Maradi, dirigé par son oncle fait Hassan Garba une autre figure emblématique de la musique moderne nigérienne. Avec l'orchestre Carnaval, il lui connut la gloire et porta haut le flambeau d'une musique nigérienne, toujours en quête de son chemin. Sadou Bouri avait beaucoup euh, de fans à Maradi et dans le reste du pays, tout comme dans la sous-région mais surtout au Nigeria où il était régulièrement invité pour animer des concerts. Il nous a quittés en 2008 au Nigeria dans un tragique accident de circulation. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là le titre Badoussa de l'artiste euh, Le Feu, bien sûr, euh, Sadou Bouri. À présent, Rekia, on va faire un tour, encore une fois de plus, à Zander. plus précisément au marché hebdomadaire de Tanout qui s'anime chaque samedi. Oui, c'est nous, nous allons découvrir une couchette traditionnelle, une sorte de matelas appelé Tesebari. Il fait office des matelas, notamment chez les Touaregs. Il est fait à base de tiges de roseaux et des morceaux de cuir. Un vendeur du nom de Alassane nous donne plus, plus de précisions. da nake sai da yana sai da kayan zango to menene kayan zango je sabari abin kwanci yanzu kana iya gaya mana amfanin shi amfanin shi shine al'ada mu mu bugaje mu bugaje shine al'ada mu shine gadon mu shine abin kwancin mu zaman matala take mu gare mu mu bugaje yarinya za a auren ma shi ake siya ake zaman matala eh shine ake siye to yanzu kuna gaya mana kamar da je aka yi shi da kasari ake yin shi da da fata ake saka shi kamar maza ne ke sarrafa shi ko ko mata ne mata ne ke yin shi ya suke yin shi yanda suke yin shi idan an samu fata za a je mai shi a yanka shi kanana yanda ka gan shi sai su tsara shi kama yanda ake saka tabarma shi ma haka ake zama ana saka shi eh. kamar yanzu da guda yana ka musu lokaci nawa to da yake hawa hawa ne wani yana ɗauka sati uku wani yana ɗauka sati biyu akwai na wanda ake yin sati guda da yake hawa hawa ne shi ma ya kamata a ce kowane gida akwai mace mai shi koko kawai dai kamar ya zame musu kamar kasuwa ne ya zama musu kamar kamar kasuwa ne duk wanda Allah ya saya iya wanda ta iya shi za ta saya ta yi in kaga wanda bai yin shi bai iya bane mu ga bugaje in kaga wanda bai yin shi bai iya shi bane a wannan wanda ya iya ya zama to kasuwa ne gare su suna yin shi hawa hawa ne ko koya ne kudin su eh hawa hawa ne kalitan sa akwai na jikka 35 shi ya yake na jikka 35 baki ne ka gan shi na wannan shine shine na sama akwai mai bi mishi ana saida shi kamar jikka 25 akwai na kasa da wannan shi ma ana saida shi kamar jika goma sha biyar da yake kala kala ne ake yin shi bayan da ba a saida shi kamar yanzu masu zuwa siye suwa ne ne yan uwanmu ne bugaje mu dangin mu ne ke zuwa ke siye su da suka san amfanin shi su ka zuwa su da yin shi kenan duk wanda naga ta zo ta siye shi nan kamar tana shirye-shiryen arme ne ko ko dai haka eh, ma dai ana zuwa siye kamar wanda yake da tana da yarinya tana son ta aurar da shi za ta zo ta siye kuma in wata tana sai dan kanta saboda saboda wani nashi ya suha ya lalace ya iya ya zo ya sake ta saye ta je kuma ta saka shin hida wani kuma tana sayi don aure za a ma yarinya aure kamar kana da wani kira da za ka yi eh ba wani kiran da zani yanzu kiran da zani kasuwa ne dai ababu kuma ni mu shine sana'ar mu ciki muke samun rufin asirin mu Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Place à présent à la page sport euh, avec notre chroniqueur Soumana Amadou. Bonjour Smana. Bonjour. Les clubs de la première division qui sont qualifiés pour jouer la Super League de football, le championnat national du Niger se prépare activement un peu partout. Oui, tout d'abord, donc nous partons à Agadez qui compte deux équipes qui vont participer à la compétition. Il s'agit de la Kokana FC et l'Irana FC, toutes de la ville d'Arlit. Donc, euh, la Ligue régionale de football d'Agadez a organisé un tournoi pour la mise en jambe des joueurs de ces deux équipes. Par ailleurs, ce tournoi a enregistré la participation de six clubs d'Arlite plus les deux clubs de la première division. Plus de détails avec Abdelaziz Ousmane Dimara, président de la Kokana FC et membre de la Ligue régionale de football on a voulu assez que les clubs de première division, Akokana et Irana, jouent avec euh, toutes les trois équipes. Donc euh, la finale est opposée entre Akokana euh, et Irana. La finale s'est soldée d'un match nul, zéro partout. Donc nous pouvons dire que ça nous a vraiment permis de faire jouer tous les joueurs pour voir la capacité de chacun, pour voir comment est-ce que nous allons ajuster pour avoir une équipe efficace pour affronter le championnat d'élite. Ça nous a permis de corriger les choses. Et vraiment, dans l'ensemble, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Et aujourd'hui, quand même, nous avons euh, sous nos yeux pour le moment, donc vraiment une vision par rapport à tous les joueurs, donc par rapport à ce qui nous attend dans les championnats Super League. Nous espérons que ces tournois que nous avons fait, donc euh, ce n'est pas pour rien et que ça nous permettra aujourd'hui d'aller loin et que les euh, de la région d'Agadez, euh, la Super League. On va essayer de faire tout pour amener au moins euh, les équipes-là à être en haut du tableau d'ici la fin de la saison. Soumana, GST jeune sportif de Tawa, participe également à la Super League 2023-2024. À propos, je vous propose de suivre Tini Boubacar Bourema. Il est secrétaire général de l'Association régionale de football de Tawa. Il se réjouit de la bonne préparation de son équipe. Nous entamons cette saison avec euh, beaucoup de sérénité dans ce sens que notre équipe est déjà prête pour le premier match à domicile face à l'Olympique euh, FC de Niamey le dimanche 19 novembre 2023. Euh, nous sommes en train d'arranger actuellement la pelouse. Comme vous le savez, nous avons une pelouse qui va être reprise complètement car euh, la pelouse synthétique actuelle est complètement dégradée. Donc nous attendons l'entreprise qui est chargée de la reprise de cette euh, pelouse synthétique. Eh bien, donc cette euh, Super League synonyme du championnat national de football du Niger débute demain, samedi, 18 novembre 2023, sur toute l'étendue du territoire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt. Merci Soumana. Merci infiniment. Il est temps euh, de présenter notre étoile du jour euh, à nos auditeurs, n'est-ce pas Rekia Oui, c'est nous. Aujourd'hui, dans la rubrique portrait, nous allons à Tawa pour présenter Maman Ousseini, un malvoyant, <laughs> un qui fabrique un vin et vend la craie en Afrique. fait son activité principale pour subvenir aux besoins de sa famille. Il est interrogé par Fanta Shamsou. sunana dai mamma Useni da ke nan tawa ango korfewa ta ɗai ina yin lakire ina saka da garaje duka na saƙa ina yi a eh, ina kuka koyi wannan sana'ar ta ta lakire kuma tun yaushe kuke yin ta koyo aiki dai ya mai ni yoshi kwalo can koyo aiki shekara biyu lokacin da na fara da shi aikin lakire yanzu shekara ta hudu ce amma na jima ina aiki wangarin na kai shekara goma ina yi ne ku ya aka yi aka dauke ku har kuka je kwalo meri ne meri ne eh kamar duka nan mutanen Nijar ne duk gaba ɗaya kowane gari ya kai nashi nuna mu dai mu uku mun ka tai amma mu bi dai mun kare aiki dan guda shi wata ya yi meri meri ne sun ka aikin kujeru ne kuka koyo a to aiki ba kujeru ɗaya ne kare da aiki yana ga wajen shidda ne akwai sa'a kujeru akwai sarfiyar akwai fayason akwai giriyaj akwai aikin jardin da lakire su ne duka mu koya to ya wannan sana'ar ta ku ta lakire ta samu karbuwa nan tawa a sana'ar lakire kai masha Allah nan ta kam ta samu karbuwa dangance da lakure inda nan suna saye gaskiya su wane ne ke zawa sai yara ko kuma cikin lakwaloli ne a cikin lakwaloli da diratar diratar da masu kuma shaguna haka su ma suna saye su kamar lakwal kamar dilitris ko diratar in suna so su da lambobinmu don mahi yawancin duka sai su kiraye mu sai mu kai musu. Yaya ne kuke yi a ina kuke samun kayan aiki da mine ne kuke yin su? Da kalkel ne muke yin lakire ken inda muke samun kalkel ken kwanin ne muke sayo shi. Da sauki kamar me ake ta yin lakiran bai ba ku wahala kuna da yara ko kaɗai ke aiki? A bai ba mu wahala ina da yara wanda muke zai tare dan lokacin da mun ka fara dai ina da yaro hudu to biyu kamar 'yan lakwal ne da sun ka samu aiki yanzu karanta su kai sun zan mushanni to yanzu kenan ku kaɗai ne ke aiki a ina da wanda muke zai tare ya akwai amfani sosai a ciki a akwai amfani kan gaskiya inda lokacin lakwal ya kama gaskiya muna samun abin da muka shikam ciki insha Allah sha da amfani kwarai ko akwai wani kira da kuke son ku mika zuwa ga matasa ko zuwa ga masu irin larurar ku ko masu zuwa ga hukumomi eh to duka dai muna da kira daga kowane da su masu larura irin tamu da su hukumomi kan matasa su ko kamar irin masu larura irin tamu dangance da wanda ke bara muna nan rika dan jawo hankalin su bisa ga su koyi aikin hannu kin na yahi musu bisa ga yin yawon barace baracen nan duk wanda an ka kawo nan ga ni ina koya musu yanzu kana ni akwai yaran da ni koya ma aiki nan ga sa ku juru da shi lakire ken ga da akwai mace biyu ma wanda su na koya musu lakire akwai wanda ni koya ma kuma sa ku juru to su ko magabata abin da muke kira gare su tallafi dan jari ababu ga aikin da muke yi mu tallafi ne muke so bisa ga aikin da muke yi samu a tallafa muna yanzu aiki bi ne wani ke yi duka shiga ayyukan gada mun kai saboda babu kaya aiki sa'a kushorun gana ɗaya ne ke yi da lakire sauran aikin da mun ka koyo ba mu da kaya aikin da muke yanzu Voilà, c'était la Maman Ouseni, notre étoile du jour. Place à un autre tour en musique et c'est le dernier de la liste avec le titre Irintasu de Elsa. Elsa est un rappeur qui fait parler de lui dans, les quatre coins du Niger. Aïe, la da mugu koya ko ya mutu sai an ɗaure shi zaka shi kalongou kalangu yana tashi haba baby baki da oh, kuma ga ba gashi ya zan inke kai sadaki kuna son flow ku shiga alayi to ga sadaka fi sibidillahi to ga sadaka fi sibidillahi gayun fa ba su ba da bashi gayun fa ba su ba da bashi kira san iphone ki bi shi daki kira san iphone ki bi shi daki to ka je en bala'i ils nous verront briller longtemps tant que y a du rien ne

ba duba ni ban san fakina mini yanga ka canza wando ka canza riga makiya ba su san hakan ga haba malam ba ni kiɗin ganga ku sa su rawa sanan su yadda tana turanci tana buga sango wannan ya haro banda ce tana tafiya tana ta da kura wannan ya lazare ce ba on se prend à distance a barzance ya plateau ce baba ko ba rawa a taba ya za ku bani wake ba yaji wani in yayi rawa a taba wani ko in yayi ta shaka shi wasu longtemps Que qu'il y a du rien de matin. Chacun sa gauche, chacun son pain. Ah ouais, le son va cogner dans leur tête. Tête, suke ƙarya irin tasu ce suke su ta irin tasu ce su ba su kama muke su ce suke irin namu ne muke wanka irin mo ne muke gwaninta irin mo ne muke ba mo kama muke mo ne muke positions gauche à droite et donc tu croyais le morceau est fini. Ah, dis-moi si c'est bon, est-ce que le volume il est bon Dis-moi si c'est bon, est-ce que le volume il est bon Ah, dis-moi si c'est bon, mais est-ce que le volume il est bon À ah, chacun son pain, à ah, chacun son Voilà, Irinta Souté, cher auditeur, c'était bien le titre euh, de cette chanson que vous venez d'écouter de l'artiste Elsa, tout en espérant que vous avez aimé. Alors, Rekia, quel est le titre du loti d'aujourd'hui C'est nous, les lotis de ce vendredi traitent de l'importance de la carte d'identité nationale. C'est un document administratif servant à justifier l'identité d'une personne. Certains citoyens ne connaissent pas l'utilité de cette pièce d'identité. Écoutons Samira Rouafi et moi-même sur l'importance de cette pièce d'identité. Affairage, affairage, affairage, affairage. ton voyage J'espère que tu nous as apporté des cadeaux, hein Ne m'énerve pas, hein. Je suis pas d'humeur aujourd'hui. Eh, pardon. Qui t'a énervé comme ça Ou bien c'est Maman que tu as vu dehors à la fada Si seulement c'était le cas. Laisse-moi déposer d'abord mes bagages et souffler un peu. Tiens, bois de l'eau. Et raconte-moi, j'ai hâte d'entendre qui t'a énervé autant. <laughs> voilà, cousine. Si je te raconte ce qui m'est arrivé sur la route de mon village à Niamey <laughs> tu ne me croiras pas. À chaque poste de contrôle, on me fait descendre, ce qui indisposait les autres passagers et retardait notre voyage. Mais pourquoi vous faire descendre Il y a un trafiquant dans votre bus ou quoi Non, oui parce que tout simplement quelques-uns d'entre nous n'avaient pas de carte d'identité, comme si je suis obligée de la faire. Toi aussi, cousine. Ces personnes qui vous ont fait descendre en raison sur vous, vous faites quand même un torse à la loi. La carte d'identité est obligatoire pour chaque citoyen à partir de 18 ans. Cela pour l'identifier et le protéger, on ne sait jamais. Mais protéger de quoi De qui Je suis dans mon pays. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver En tout cas, si c'est comme ça, je ne reviendrai plus en ville. Cela n'engage que toi de rester dans ton trou perdu là-bas. Mais sache seulement que la carte d'identité est une pièce d'état civil qui est instituée par un décret depuis le 9 octobre 1964. C'est même publié par le journal officiel numéro 19 du 1er octobre 1964. Hé, arrête de faire les connaisseurs. En tout cas, par rapport à toi, j'en connais un rayon. Bref, la carte nationale d'identité reprend donc l'identification de la personne telle que cela se présente sur l'extrait de naissance. Et avec cette insécurité vers chez toi, tu pourrais être confronté à une situation désagréable car les femmes seraient complices aussi. subhanallah, que Dieu nous en garde. Attends, et si quelque chose t'arrive, comme un accident ou autre, c'est grâce à ta carte d'identité qu'on peut t'identifier et informer ta famille. Dans ces cas, c'est vraiment nécessaire et utile pour notre mobilité. Je n'avais pas vu les choses sous cet aspect-là. Et aussi, tu as déjà 19 ans. Quand tu auras besoin de récupérer un colis, tu ne peux pas le faire à défaut de ta carte et surtout aujourd'hui avec les transferts d'argent ou transactions bancaires. Eh, n'ajoute pas plus. J'ai compris. Je crois que de mon retour, je ferai ma carte d'identité pour pouvoir voyager en toute quiétude. Et surtout, tu ne vas plus prétexter que je n'ai pas de carte pour ne pas m'envoyer des sous. <laughs> en tout cas, je t'encourage. Tu comprends puisqu'il s'agit d'argent. Ah, mais oui, hein. Hé, eh, donne-moi l'eau là, je veux boire. Chers auditeurs, nous sommes avec al Ouachar pour la culture linguistique. Bonjour Ouachar. Bonjour. Quel est le mot du jour Aujourd'hui, le mot du jour, on va parler de la résistance. Premièrement, on peut définir la résistance comme l'action de résister. Oui, l'action de résister physiquement à quelqu'un ou à un groupe. Donc, c'est une réponse par la force à un adversaire, à un ennemi qui déclenchent les hostilités. Par exemple, en ce moment, les États des trois frontières résistent à la pression des groupes armés non étatiques en des actions militaires dans la zone. Deuxièmement, en électricité, on parle d'autres résistances appelées aussi résistors. Là, il s'agit d'un composant électronique ou électrique nous, on va se contenter de la première explication. Mhm. Allemagne a résistance de la Tmajak, il s'occupe de l'Aratiti Wagen, il s'occupe de la résistance. Zmeret yaratien, il s'occupe de la résistance. Zmeret yaweden, il s'occupe de Zmeret yaweden, دغادي أصوغل نرتس الساهت يويدن ودرت مقرأ مديغ مكسن أدي السنكرن تاك جيت ورنك المثال دغا تمرتانا هذا الدولة شنكرا دالخدودن زمارنا تيدو جوز ودا سنقن قروبا وين الصلاخ نورد للحكومة استارت نيجين تاكولين اضطريت انتم نكلت منطقة وين دغمد لوينتي فلقنا وهل انت دا اللي المعني انا استنو استانس فلقنا وقلن تمسي تنكورا اللي ارتستاونو ريستور ارتيان يقاغن تمسي سنتا تدي شادون سساعد إيجس يقادغا رت واتسا تعمل النادير ستة من تمسي إيجس نكني في الجنة وداني قلن أن الشيول الزميرت دغا المعنى وازانا زميرت يارتيا مدي زميرتي ويدا دي زميرتي جروب Merci Alamine Ouachar. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Si vous avez des mots ou des expressions que vous aimeriez comprendre en anglais, Hausa, Zarma, Tamashek ou Fulfulde, votre participation est la bienvenue. Et justement, il est temps pour nous d'écouter le message de les messages envoyés par nos auditeurs. Exactement. kuna tare da alhaji muhammadu mai biredi birnin kwanni sosai ni ne mai shuraren su tun da tun daga karfe biyar da wani abu ina shuraren ku har zuwa karfe shida wallahi akwai abubuwa diya irin da kuna wayaya mutane da kanu na wasu abin da mutane ba su gane ba kuma akwai wanda suka gane wannan shi ne kawai kullum nake shuraren ku nake sha'awa wallahi na samu karuwa diya a bisa shirin ku gaskiya mm. tunda akwai abin da nake ɗauka yana amfana da ni dubin gaisuwa da fatan alheri ina gaida eh, haruna mamman bako da ina gaida abokin arzikina shine alhaji wani a nan birnin kwanni ina gaida eh, musa wanda suke ce mashi musa mai nama ina gaida alhaji mamman sani tayar mm-hmm. na gode kwarai radio studio kalangu Ni sunana Usman Barte, ni na majar in gidan likitan masallata. To lalle ni dai alhamdulillahi mai sauraren shirye-shiryen studio Kalanguna. Kuma Lefili Suvan dai ina sauraron shi da maraice don lokacin kama aiki ya yi mini sauƙi kwarai da gaske kenan ina amfani da watan dama in tsaya in saurara. To lalle dai shirin da nake saurare shi na shiri na kama sana'a. tamman mutane a yi sana'a a daina zaman banza irin haka nan lalle muna jin ra'ayoyin al'umma suna faɗi mu ma sai muna cewa inda ga dama mu ma da mun samu mun faɗi namu ra'ayi kan wannan wanda za mu wa shi na yawanci muna samun 'yan jarida suna kawo mana ziyara nan kama na gidan radiyo niya fm in mun ka ɗauki misali akwai asuman musa arzika asuman shi na zakkuwa shi tambaye mu kakami an matsaloli gidan likita mi ya kamata a samu a yi a gyara kuma wani koke gare mu ko wani waɗa kasuwa gare mu zuwa ga al'umma ta yanke mu nan cikin masallata. Sunana Mahmud anan nake tsakiyar birnin Maradi na nan kasar mata na jamhuriyar Nijar na akan studio Kalangu shirin ra'ayin nan na tattauna na muhawarori da ake yi wannan yana nishadantar da ni kuma ana faɗin abin da ƙasa ke bukata da yawancin al'umma wanda suke bukata na samun yanci da sauran kwanci hankali da nishadi ba tare da bata lokaci ba na gode allah ya tsari allah ya sa alkhairi gaskiya yana gaida shugaban mu jagora wanda muke sa ran tsakani da allah yake yi a matsayin shi na mai kishin ƙasa president chani Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. chers auditeurs, nous avons adoré passer ce moment en votre compagnie. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour euh, une, autre, autre, aventure. Oui, la technique euh, était, tout, était assurée tout simplement par Issa Lawali, Rahila Toussoumana et Adama Dawaki étaient à l'édition. Passez une excellente journée. Bye bye.